Nous sommes euh, jeudi 22 août 2024, chers auditeurs, auditrices, bonjour et merci d'être au rendez-vous de la mi-journée Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires, merci de votre fidélité. Pour vous accompagner ce matin, je suis Ali Moukela Ouseni, alias Seno et je suis accompagné de Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Seno, ça va Ça va bien et de ton côté Ça va, Alhamdulillah. Alors, fidèles auditeurs, pour le programme d'aujourd'hui, nous, nous avons un flash d'informations du loti, du sport, de la culture linguistique, la rubrique hebdomadaire et l'écho des régions. Et oui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Ibrahim Abdoulaye il est le deuxième vice-secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Avec lui, nous parlerons du projet de l'éducation populaire pour un changement de comportement intitulé Ilmi de Nasiha Amisali que pilote actuellement l'USN. La technique est assurée par Sain Isaka et Adama Dawachi et à l'édition. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté aujourd'hui par Tarnan Foudé Hamed. Bonjour Tarnan. Bonjour euh, Ruki, bonjour Seno. Euh, pour le flash euh, de ce matin, nous allons commencer par cette informations portant sur les deux cas suspects de variole du singe en cours d'identification dans la région des Enders, précisément dans le district sanitaire de Belbéji, informe le secrétaire général du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, docteur Malin Ekoiseidou dans un communiqué. Le secrétaire général demande aux acteurs à tous les niveaux de renforcer la vigilance dans toutes les formations sanitaires, aussi bien publiques que privées et de points d'entrée. Il précise aux directeurs régionaux de notifier immédiatement au niveau approprié l'information relative au cas, de veiller à ce que les patients soient isolés, de prendre les mesures de prévention de la transmission par voie aérienne et si possible de permettre au personnel de santé vacciné contre la variole de s'occuper des patients, de traiter et de prendre en charge les patients à lui, dispensant des soins, des supports et assurer la prise en charge des symptômes. Toujours euh, euh, dans ces flashs, euh, Niamey avait déjà annoncé le mardi 6 août la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour se prononcer sur ce qu'elle avait qualifié d'agression ukrainienne. Par rapport à cette information, c'est désormais chose faite à travers une lettre conjointe adressée par le ministère des Affaires étrangères euh, de la Confédération des États euh, du Sahel AS regroupant les Burkina Faso, le Mali et le Niger dans laquelle elle dénonce et condamne ce qu'elle qualifiait de soutien présumé de l'Ukraine au terrorisme international, particulièrement dans le Sahel. Cette dénonciation a été officiellement portée à l'intention du Conseil de sécurité des Nations Unies par le biais d'une lettre conjointe datée du 19 août 2024. De ce fait, les ministères en charge des affaires étrangères des États de l'Alliance euh, d'Israël ont, à travers leur représentation à New York, demandé au, au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre toutes ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme. Ensuite, euh, un autre sujet qui constitue ces flashs, euh, comme vous le savez, le 22 août 2024 est commémorée la journée internationale des personnes victimes de violences à raison de leur religion ou conviction. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les actes de violence fondés sur la religion ou la conviction demeurent fréquents notamment contre les personnes appartenant à des minorités religieuses. Il a ajouté que partout dans le monde, des personnes et des communautés subissent des violences à raison de leur religion ou de leur conviction, un fléau que nous ne devons combattre Il suggère aux responsables politiques et religieux de condamner sans équivoque les discours de haine, promouvoir les dialogues, affirmer haut et fort que la violence n'est jamais la solution et encourager la tolérance ainsi que la compréhension et le respect mutuel. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci infiniment, Tarnan, pour euh, ces informations. Chers auditeurs, comme invité, euh, on l'annonçait en début d'émission, ce matin, nous recevons Ibrahim Abdoulaye. Il est le deuxième vice-secrétaire général du comité euh, directeur de l'Union des scolaires nigériens. Bonjour, Ibrahim. Bonjour, euh, monsieur Senou. Bienvenue dans l'émission Le Niger sur Kalangou. Merci beaucoup. Alors, Ibrahim, avant d'attaquer nos échanges, nous allons d'abord écouter ensemble un, des titres de la chorale universitaire. Il s'agit bien sûr du titre euh, Kaunarjuna. voilà. <laughs> ba da salama ba ba za mu ci gaba ba maza da mata yara da manya mu haɗa kanmu domin mu zauna lafiya lakkalkanai ga tilabu arzaka Wani mutum cerdi ga gatiyan fo ba fallon gir labocina zama da kan bufumbu kalkoyo Niger yo leydi men ni en pilo potal e leydi men sabu ɓe mbi'i to potal wala duniyaaru wela niger bulandi kamande senna adunankaro kalan ni fongiw sulhudu bulandiro boy sammande cingiya Voilà, c'était là le titre Kaunar Juna de, la chorale universitaire. À présent, retrouvons notre invité du jour, M. Ibrahim Abdullahi. J'espère que vous avez aimé euh, ce titre. Eh, bien évidemment, <laughs> c'est tout à fait naturel hein. quand on voit chanter les étudiants nigériens, surtout ces groupes talentueux de la chorale universitaire, ça donne euh, du bon au cœur. Mhm. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet Ilimi de Nasiha à et quels sont les principaux objectifs Merci beaucoup. Le projet Ilimi de Nasiha à ou si vous voulez, l'éducation des masses par la communication, l'information et la sensibilisation est un projet conçu par l'Union des scolaires nigériens. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui de quête de souveraineté et dans, dans cette quête de souveraineté, il faut concevoir des projets, n'est-ce pas, de conscientisation, d'éveil et de conscience pour la jeunesse nigérienne en particulier et pour tous les Nigériens et en général. C'est pourquoi nous avons pris en tout cas un bon bout de temps pour réfléchir profondément, concevoir ces projets et les soumettre et pour financement au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ces projets qui a été acté par des experts qualifiés qui l'ont étudié de bout en bout et qui nous ont donné une suite favorable jusqu'à avoir son financement est un projet d'abord qui a des objectifs. Le premier objectif consiste à contribuer au changement de comportement de la jeunesse pour et la refondation du Niger. le deuxième objectif de ce projet consiste vraiment à faire des sciences de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation et pour et l'atteinte également de la souveraineté et de notre pays. Donc les projets, comme on peut le voir, vise, je, disais, les deux volets et qui est quand même le volet de conscientisation et le volet de sensibilisation de la jeunesse nigérienne, mais de tous les Nigériens et en général. Alors, M. Euh, monsieur Ibrahim, quelles sont euh, les vous avez évoqué bien évidemment les, raisons qui ont poussé euh, à l'initiative de, ce projet. Dites-nous à qui s'adressent principalement ces projets. Quelles sont les, catégories de, la population ciblée la, population ciblée, c'est comme ce que je vous avais dit. les projets là visent essentiellement d'abord les jeunes les jeunes scolarisés, n'est-ce pas, mais également les jeunes non scolarisés qui sont dans tous les coins et recoins de notre pays. Le deuxième aspect ou la deuxième catégorie des Nigériens, c'est que nous allons faire ce qu'on appelle des séances et des campagnes de proximité pour tous les Nigériens des séances à la fois et des focus fada comme nous aimons l'appeler. En dehors des focus fada, nous allons faire des focus euh, et groupes ou bien des focus car où nous allons faire la sensibilisation pour que tous les Nigériens entendent le message de patriotisme, d'auto et responsabilité, des droits et devoirs des citoyens. En dehors de ces trois et de ces focus, nous allons faire les focus bus où il y a tout le monde. Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a des enfants de, de, de tous sexes. Nous allons en tout cas faire ces séances pour que ça touche tout le monde, pour que tous les Nigériens comprennent les enjeux du moment, les enjeux du combat pour la souveraineté de notre pays, où tous les Nigériens doivent comprendre véritablement quels sont leurs droits et devoirs dans ces contextes de combat, dans ces contextes de recherche de souveraineté véritable pour notre pays. Pour dire de façon claire, le projet touche les jeunes Nigériens, mais ça touche en dehors des jeunes tous les Nigériens de toutes les catégories confondues. Hmm. Monsieur Ibrahim, euh, quels sont euh, les changements de comportement que vous espérez voir dans les communautés euh, à travers ce projet-là Les changements de comportement que nous souhaiterions voir d'abord, c'est qu'il faudrait que nous créions les conditions pour former, hein, pour conscientiser tous les Nigériens à l'amour de la patrie Aujourd'hui, nous n'avons pas un autre pays en dehors du Niger. Nous devrions tous nous mettre à l'évidence que le combat que nous devrions faire ou la chose qui est devant nous, c'est d'aimer notre, notre pays. Donc, les résultats que nous attendons, c'est qu'à travers cette campagne de sensibilisation, de conscientisation, d'éveil de conscience, c'est que désormais, nous allons avoir des Nigériens qui aiment véritablement leur pays, des Nigériens qui sont prêts a se bater pour la préservation de cet acquis qui nous est cher, qui est quand même cet acquis et qui a fait, toujours, qui a fait du Niger toujours un pays de référence, c'est-à-dire un pays de un pays de tolérance, un pays où l'amour existe entre tout le monde, un pays haïkéen, un pays qui a en tout cas ou qui développe des idéaux panafricanistes, des idéaux de développement, de combat pour un véritable euh, changement. Et nous osons espérer en tout cas qu'à travers cela, nous allons avoir et dans ces nouveaux Niger, dans ces nouveaux Niger des Nigériens nouveaux également. Mhm. Euh, bien, euh, Ibrahim, avant de continuer, nous allons encore faire une petite pause musicale. C'est nous. Euh, quel est le prochain titre de notre playlist Ah bon, je, propose le titre Hanfona Gaban du groupe Métaphore Crew. C'est parti. ce sera tu de saigner De larmes de sang cesseront de couler Africa. Où est passée ta liberté Pourquoi la peur ne règne plus dans nos cités Africa. Quand sera tu de saigner De larmes de sang cesseront de couler Africa. Où est passée ta liberté Pourquoi la peur ne règne plus dans nos cités ah Funagaban, King Nazare, Bani, Silgo, Wangora. And Funagaban, Batukula, Latume, Zegoga, Tom Tom, we have a collabora. And for and Funagaban, King Nazare, Bani, go Wangora. And Funagaban, Batukula, Latume, Zegoga, Tom Tom, we have a collabora. And Funagaban, Rika, Inakochala, Iga, Kita, Kuka. Ndrin a ndrin amuna gal nisonga garuru wa chidaga ba k u k u n a ba ya Yes mama Africa ba yanga yankitunya s h a n l you bal mi i n a w a kulo munati kita l o t e n a nyongwa wa saboda yagi yusheseka ge wa. me fait beaucoup de mal quand je vois l'intérieur n'était pas des bombes. Ça me fait beaucoup de mal quand ça passe la famille ici tombe. Ça fait chier le peuple et le cœur de continent d'Afrique tombe. Arrêtez de le satisfaire, il est de essayer de commander Colombe. Et peut-être de ne laisser pas les pelles, pas les lumières qui viennent de diviser pour Béragne. Tu parles de Babylone qui devant des arbres, parce que lacs et années, il faut qu'on s'unisse. Oh, Solidement pour le faire tomber. L'astre de la guité et le seul bagnon qui demandera à la liberté. Qui depuis le début, je ne suis d'une l'intifada. Moi qui ne depuis jamais les gars, je mange, ah, je brûle la matifada. Achète maintenant Il est pas passé quand les bandes c'est de salut, c'est fait salut, c'est aimé, c'est nous, on veut le couvrir, parce que la noble Africa. And for Nagaban, Kini Nazare, Bani Silgo Wangora. And for Nagaban, Batu Kula Latu Meze Goga, Alphonagaban, Alphonagaban, Kini Lazare, Bani Silgo Wangura. Alphonagaban, Watu yeah. la ya Alphonagaban. Mon mère Afrique, dans tes guerres, tout va travers, l'atmosphère est pourrie. Éphémère est la vie de ceux qui préfèrent ici faire face à la tuerie. Jour et nuit, ça dégénère et les actes de barbarie s'accélèrent à la sauvagerie. Qu'elle-même persévère la pluie de cette guerre où deux peuples de même mère s'entretuent. Ainsi, le calvaire continue, comme si l'enfer est descendu sur après le Rwanda, le Congo est venu le tour de la Côte d'Ivoire, le Mali et la Libye. Demain, as-tu le tour Au lieu d'attendre son tour, il va falloir y agir son choix. Sinon, mon Afrique sera victime de leurs abus de pouvoir. Bon sang, mes frères, si ce continent est agonissant, c'est à cause de mais aussi du rôle mystique que nous jouons. Oui, je témoigne à travers ma critique de Carter Pacifique que le sang des enfants d'Afrique coule comme l'océan Atlantique, catastrophique que le bilan crie la mer Afrique. Et oui, cher auditeur, à l'instant, c'était bien le titre Hanfonagaban qui signifie euh, tout simplement à quand la fin. C'est chanté par le groupe euh, Métaphore Crew. Retour au studio avec notre invité Ibrahim Abdoulaye. Nos échanges portent sur le projet Ilmide Nasiha Amisali. Alors, Monsieur Ibrahim euh, Abdoulaye, euh, dites-nous, le projet Ilmid Nessiha Amisali bénéficie-t-il de partenaires avec euh, d'autres organisations ou institutions Si oui, quelles sont-elles et comment contribuent-elles au projet et Merci beaucoup. Notre projet, comme nous avons eu à le dire, bénéficie euh, d'un financement direct de la part du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans un des volets n'est-ce pas, et, du champ d'intervention du programme d'intervention général, le PGI du Fonds de solidarité. Ces genres de projets, en tout cas, sont euh, prévus. C'est pourquoi nous, nous avons cherché l'information et nous nous sommes adressés au Fonds de solidarité. Intégralement, ce projet est financé par le Fonds de solidarité. Et vous le savez très bien, le Fonds de solidarité est sous la titelle du secrétariat permanent du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Donc c'est vraiment un truc où nous avons eu la confiance de nos autorités et c'est une première de l'histoire de notre pays où il y a des il y a eu euh, pour des jeunes ou bien pour une organisation comme la nôtre et l'autofinancement et c'est franchement et, quelque chose d'inédit pour euh, la jeunesse nigérienne. Ok alors euh, quels sont les, principaux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ce projet et comment l'USN envisage-t-elle de, les surmonter Parce que le projet a déjà démarré. Oui, en tout cas, et les défis, hein, ils sont nombreux qui se dressent devant nous. Mais vous savez, bien avant de répondre à votre question, c'est vrai, aujourd'hui, le travail ou le challenge qui est devant nous, c'est d'essayer à travers ce projet de toucher pendant la première phase de l'activité que nous avions organisée le 17 août passé et un peu plus de 160 000 euh, Nigériens que ce projet touchera. En dehors de ces 160 000 Nigériens, c'est que le projet devait normalement toucher 3 millions de Nigériens de façon directe. Et quand nous allons en tout cas mettre globalement toutes les statistiques que nous avions eu à faire, le projet touchera et 8 millions de Nigériens, c'est-à-dire 3 Nigériens et sur 10 seront touchés. Donc il, y a, il va y avoir certainement des difficultés, n'est-ce pas, dans l'exécution ou dans la réalisation des projets. Entre autres difficultés, c'est qu'il y a des questionnements que beaucoup d'acteurs se font sur comment aujourd'hui l'ISN porte un projet sur la citoyenneté, sur les droits et devoirs, sur l'autoresponsabilité, sur l'autodétermination, sur l'amour de la patrie, etc., Une organisation qui jadis est, revendicatrice, qui pose des actions, n'est-ce pas, aux antipodes du développement, etc., etc. Donc voilà des questions comme ça que des acteurs qui nous convient à des ateliers se posent pour dire, mais écoutez, c'est mettre la charrie devant le ou bien c'est extraordinaire. Ce n'est pas la mission de l'ISN. Ce n'est pas la mission. Or, c'est l'une des missions, n'est-ce pas, de l'ISN. L'ISN a un rôle pédagogique c'est-à-dire un rôle de conscientisation. Avant tout également, l'ISN, elle est une organisation qui milite aux côtés des masses laborieuses. Et le projet d'aujourd'hui, mm. c'est un projet d'éducation des masses laborieuses et qui, plus que nous, pour les porter qui, plus que l'ISN, pour avoir en tout cas des étudiants, des camarades engagés, outillés pour aller faire des sensibilisations sur les concepts, n'est-ce pas, et de citoyenneté, sur les concepts, n'est-ce pas, et de consommation des substances psychotropes etc., Et sur également à, travers et la sensibilisation sur la désinformation et la manipulation. Hmm. Ok, euh, Monsieur Ibrahim, comment euh, comptez-vous évaluer l'impact de ce projet sur le terrain Avez-vous des indicateurs spécifiques pour mesurer les changements de comportement ou pas et, en tout cas, nous avons des indicateurs euh, propres à nous ou bien des indicateurs internes que nous faisons et depuis toujours quand nous faisons des activités. Donc nous comptons en tout cas mesurer cela à travers et, des fiches que nous allons remplir, voir et comment est-ce que le projet que nous exécutons a un impact. en dehors de nous, il y a des experts qui nous suivent et qui évaluent mm. et notre souhait est que nous puissions véritablement atteindre les objectifs et mm. que l'évaluation puisse être une évaluation positive. D'accord. Euh, vous avez déjà démarré le projet. Quels sont les activités que vous avez eu à mener et comment ça se passe Nous avons déjà les 17 à euh, lancé les projets au niveau du siège du SNAD ici à Niamey en invitant le gouverneur de la région de Niamey, en invitant la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, le président de l'association islamique qui représentait à la fois les religieux musulmans mais également l'association des chrétiens. Si ce n'est pas au Niger, il serait difficile d'avoir des cohabitations et merveilleuses comme ça de toutes les confessions. Donc le projet a été lancé à travers la, sa première thématique qui est la thématique sur la citoyenneté. Mm. Nous avons fait un atelier de formation des dessins dessin niche. C'est quoi les niches Les niches sont les ambassadeurs de la République, c'est-à-dire des religieux, des représentants de l'association islamique, de l'association des chrétiens, des chefs traditionnels, des artistes, des jeunes du Conseil national de la jeunesse nigérienne, des scolaires, mais également des radios communautaires qui ont été eh, formés sur les, eh, la citoyenneté et responsable. À eux maintenant de, de propager ce qu'ils ont appris, les connaissances acquises auprès de leurs pères, auprès de la communauté, c'est-à-dire les religieux dans les mosquées, les chrétiens dans les églises, les artistes à travers des actions et, eh, artistiques, les jeunes à travers en tout cas les sensibilisations porte à porte ou fada et fada par fada. Donc en dehors de cette première activité, nous avions avant-hier également lancé un autre projet de plantation de 8000 arbres plantation de 8000 arbres dans tout le Niger. Ici à Niamey, l'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et de l'assainissement, de l'administrateur délégué de Niamey et des autres autorités, n'est-ce pas, que nous avions conviés. Nous avions déjà planté et, à peu près 1000 arbres ici dans la capitale pour prêcher par l'exemple. Mm. C'est vrai, à côté de la sensibilisation, de la conscientisation, pour capter, n'est-ce pas, et la vigilance de la population, nous avions dit il faut faire des actions communautaires qui vont en tout cas et permettre à ce que la population comprennent véritablement le combat que l'ISN est en train de, mener. En dehors de ça, le samedi prochain, plaisadier, nous allons également lancer une autre activité qui est la récupération des tables bas. Mm-hmm. Nous allons sur le plan national récupérer, en tout cas nous, l'ISN, à travers nos camarades qui sont dans les centres de formation professionnelle et technique, 4000 tables bancs. À Niamey, nous avons déjà rassemblé 1400 tables bancs. Et le samedi matin, nous allons convier la ministre de l'Éducation nationale, le gouverneur de Niamey, l'administrateur de Niamey à une activité de lancement et de, la récupération des tables bancs. Et tenez-vous que cette activité ne va pas se tenir ici à Niamey uniquement. Nous allons en tout cas l'étendre dans toutes les autres régions de notre pays. Mmh. Alors, M. Euh, monsieur Ibrahim, euh, c'est vraiment euh, une initiative appréciable, très très louable. Nous vous disons bon courage. Après la fin de, ce projet, quelles seront les, prochaines étapes pour l'ISN en matière d'éducation populaire et de, changement de comportement et après, En deux minutes, parce que nous sommes à la fin de... évidemment, après l'exécution de ce projet qui a une durée, en tout cas, de vue de deux mois deux mois, pourquoi Parce que c'est le temps des vacances. Il faut le mettre à profit, n'est-ce pas, pour euh, être utile pour la société. Après cette première expérimentation, nous allons en tout cas continuer à, à réfléchir pour mettre d'autres projets d'éducation populaire, pour mettre d'autres projets d'utilité pour toute la communauté scolaire et pour toute la société nigérienne. Et nous fondons un espoir que nous allons y arriver. À côté de ça, il y a notre rôle régalien des formations et, idéologique idéologiques, des formations politiques, des formations syndicales pour nos militants, en convient des experts, en convient des anciens cadres, en convient vraiment et des, militaires également pour venir et s'adresser aux scolaires nigériens c'est des thématiques de l'air. Nous allons en tout cas, après la reprise des activités académiques dans les universités publiques, la rentrée dans les lycées et collèges, mettre en place ou mettre en exécution tous les projets et toutes les activités que nous avons l'habitude de réaliser dans les universités publiques, dans les instituts écoles professionnelles et dans les lycées et collèges. Merci infiniment, M. Ibrahim. Euh, d'avoir répondu présent à notre invitation, mais aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée et bonne continuation de votre projet. Merci beaucoup. On prend une pause, on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, euh, rebonjour et bienvenue dans la rubrique éducation numérique du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pourrait bien vous surprendre. Euh, les jeux vidéo sont-ils réellement bons pour la santé Pour en parler, nous avons avec nous Ousmane Mamoudou, il est journaliste au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour qui bonjour à tous, euh, c'est un plaisir d'être ici. Alors Ousmane, on entend souvent dire que les jeux vidéo peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Pourtant, une étude récente semble indiquer le contraire. Pouvez-vous nous en dire plus en effet, c'est assez surprenant. Il s'agit en fait d'une étude japonaise qui a été publiée dans la revue, alors c'est en anglais, j'ai pas un bon accent, je vais prononcer Nature Human Behavior. Donc cette recherche s'est penchée en fait sur les effets des jeux vidéo pendant la pandémie euh, du Covid, euh, de Covid-19 donc, et a révélé des résultats très intéressants. Contrairement aux idées reçues, jouer aux jeux vidéo pourrait en fait améliorer la santé mentale, notamment euh, en réduisant le, euh, la détresse psychologique et en augmentant euh, la satisfaction de vie. Ah. Ok, euh, Ousmane, comment les chercheurs ont-ils mené cette étude alors, les chercheurs ont étudié un échantillon de 8000 Japonais âgés de 10 à 69 ans. Donc, ils ont profité de la situation unique, je le disais tantôt, créée par la pandémie, où de nombreuses activités étaient limitées pour euh, observer l'impact des jeux vidéo sur la vie des participants. Donc les résultats montrent que jouer quelques heures par jour a eu des effets bénéfiques sur leur bien-être mental. Cependant, ces bénéfices s'arrêtent si l'on dépasse euh, plus trois heures de jeu euh, par jour de jeu quotidien. donc, c'est une question d'équilibre. Exactement. Donc, l'étude ne prône pas en fait de passer toute la journée devant un écran. Il s'agit de trouver le juste milieu. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les effets positifs ne sont pas seulement liés au temps passé à jouer, mais aussi euh, au simple fait de posséder une console par exemple, euh, donc une console de jeu, hein. par exemple, durant la pénurie, euh, pénurie de la PlayStation 5, quand elle a été sortie, il n'y avait plus. Mm. La PlayStation, c'est la console fabriquée par Sony et de la Nintendo. Ceux qui ont réussi à en obtenir une ont rapporté des niveaux de stress plus bas. Alors, il semble que les, bénéfices varient aussi selon les, profils des, personnes et les types de consoles. Peux-tu nous en dire plus Alors, l'étude montre que les hommes, les joueurs euh, expérimentés et les foyers euh, qui n'ont pas d'enfants ont particulièrement euh, tiré profit de l'acquisition d'une PS5, par exemple. Donc, la PS5, je le disais, console de jeu qui n'est pas fixe, qui est qui s'installe au salon euh, avec laquelle on ne peut pas sortir dehors. D'un autre côté, la Nintendo, donc cette fois-ci, c'est une console portable, c'est comme les jeux, les, jeux sur téléphone mobile on a tous joué à Tetris, je pense, on connaît les consoles portables. Avec sa nature plus conviviale et portable, a surtout profité aux familles et aux joueurs occasionnels. Cette distinction s'explique par la différence euh, dans l'expérience de jeu que chaque console propose. Et c'est vraiment une nouvelle perspective sur les jeux vidéo. Mais est-ce que cela signifie que tous les types de jeux sont bénéfiques pas forcément. Alors, euh, les, auteurs de l'étude, comme Hiroyuki Egami, donc euh, un chercheur japonais, souligne qu'ils n'ont pas encore euh, exploré l'effet de différents types de jeux. Les jeux comme, euh, je sais pas, Fruit Ninja, Animal Crossing ou Pokémon, par exemple, pourraient avoir des effets plus relaxants que d'autres jeux mhm. comme FIFA, par exemple le jeu de foot mhm. ou Call of Duty, qui sont des jeux vraiment hyper violents avec beaucoup mhm. d'armement. Ce sera, ils disent, l'étape prochaine de leur recherche. Alors, donc, si je résume les jeux vidéo euh, longtemps critiqués, pourrait finalement être une source de bien-être tant que euh, l'on reste raisonnable dans leur utilisation. Exactement. Donc cette étude offre un regard neuf, je pense, sur le gaming et invite à reconsidérer ce rôle dans, euh, dans notre vie quotidienne. mais comme tout, modération et équilibre restent les maîtres mots. Alors, merci Ousmane. Merci pour cet éclairage. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci et au revoir. Merci. Alors, chers auditeurs, on poursuit euh, notre émission, cette fois-ci avec de la musique. Vous savez très bien que sur le Niger, sur le Kalangu, c'est également de la consommation euh, musicale, euh, bien précisément la musique nigérienne. Et on va aller avec cet artiste, Barakina Banwala. mushe zuba yake neman kuɗi yake shi ma ya sha madaran lilo wa ya gaya maka borno gabas take kai ma ka sha madaran lilo in ka gani ta maka sha ta ka kai daka ba ta ta sha madaran lilo kai yaro sha madaran lilo kai lati sha madaran lilo kai a sha madaran lilo na ce ka sha Eh Et oui, Shamararalilo, cher auditeur, est chanté par l'artiste Barakina de son vrai nom Moubarak Issoufou Umaru. Eh, cet artiste incarne librement la scène musicale nigérienne. En tant que révélation musicale de l'année 2017, sa maîtrise du rap, de l'afro-trap de la trap house et de l'afrobeat témoigne de sa polyvalence artistique. شاعر مات شامدر الليلو انت غني تامت جاتك كيدك ماتك شامدر الليلو ان يارك شاع سمارك شاعر مات شامدر الليلو انت غني تامت جاتك كيدك ماتك شامدر الليلو na cewa ya gaya makabar na gabas take a sha madarar lilo a mu je kasa zane mu je sama ya gaya maka bar na gabas take shayi ko kamar ruwa yake gidan haya ko da wuya yake mota haya ita ko hatsari take ke kama zanen ki ana miki leke sarki kawa ka ta kai muka soki a taka rawa ka abarka a keke jani sama kake bar ni in lake hausa muke waka muke magana ce muke Et voilà, à l'instant c'était bien le titre Lilo de l'artiste Barakina. On va poursuivre euh, notre émission Le Niger sur Kalangou de ce jeudi avec euh, cette fois-ci le reportage en région. Et nous allons rester à Niamey euh, le samedi 10 août 2024, la salle de conférence de l'esp. E ancienne UST e a accueilli un événement important pour euh, la jeunesse de Niamey. L'ONG Cercle Dev a organisé un forum communautaire sous le thème Contribution des structures des jeunes dans la promotion de la paix et du civisme dans la ville de Niamey. Oui, c'est non, et ce forum a réuni divers acteurs de la jeunesse, tous engagés dans la promotion de la paix et du civisme. Plus de précisions dans ce reportage que tu as réalisé. C'est dans une salle de conférence comble que s'est déroulé le forum communautaire de la jeunesse de Niamey. Organisé par l'ONG Cercle Dev. ce forum placé sous le thème Contribution des structures de jeunes dans la promotion de la paix et du civisme dans la ville de Niamey avait pour objectif de rassembler les forces vives de la jeunesse nigérienne autour de la question cruciale de la paix dans un contexte où la cohésion sociale est plus que jamais nécessaire. Al-Mustafa Boubakar, secrétaire permanent de l'ONG Cercle Dev. Ce forum s'inscrit dans le cadre du projet Jeunesse et prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent ici dans la ville de Niamey. Aujourd'hui, la jeunesse est organisée de manière générale autour des organisations des jeunes et ils font beaucoup d'actions en faveur de la consolidation de, la paix, du renforcement de la solidarité des actions de sensibilisation pour euh, vraiment réunir les jeunes filles et les jeunes garçons à des valeurs de paix et au respect des, des droits et devoirs des citoyens. Pour Ibro Ayuba Hadiza et Hassan Gordo Umaru, deux jeunes participants membres de différentes associations œuvrant dans la promotion de la paix et du civisme, ce forum est une occasion unique de mutualiser les efforts et de partager des expériences entre les différentes structures. C'est vraiment très important d'organiser des forums de ce genre parce que ça attire l'attention des gens à l'importance de leur participation euh, dans la paix et le civisme. C'est vraiment d'œuvrer pour euh, contribuer à la paix de notre pays en partenariat, pourquoi pas, avec euh, d'autres structures de jeunes parce que c'est plus on est nombreux, plus on a plus d'impact positif. Les structures de jeunes sont en contact permanent avec les populations. Elles sont en contact permanent avec les gouvernants. Elles sont en contact permanent avec les partenaires. Donc ce qui leur donne la force aujourd'hui vraiment de participer activement à la construction de la paix et du civisme dans notre pays. C'est pourquoi nous avons encouragé ce forum. Il faut qu'on montre que les structures des jeunes ont un rôle à jouer dans la construction de la paix. Ce forum communautaire de la jeunesse de Niamey s'inscrit donc dans une dynamique positive de mobiliser des jeunes pour la paix. Les échanges fructueux et les idées innovatrices qui ont émergé montrent que les jeunes nigériens sont résolument engagés pour un avenir pacifique et harmonieux. Voilà, c'était là le reportage en, région. Chers auditeurs, euh, c'est le moment pour nous de courir. Et nous avons notre chroniqueur sportif euh, avec nous dans ce studio. Il s'agit de Gourouza Hasmi. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Très bien. Alors nous commençons cette page sportive avec euh, le démarrage du tournoi des grandes vacances de Harkanasu, euh, ce c'est ce TGV a d'ailleurs débuté depuis le 10 août 2024 dans cette commune rurale. Neuf villages sont au rendez-vous du donner de recevoir euh, de la jeunesse qui s'est réunie autour du ballon rond malgré les travaux champêtres. Bachir Dodo Kadri nous définit les objectifs de ce tournoi des grandes vacances au micro de notre correspondant Brahma Asumi. Tournoi des grandes vacances dans la commune rurale de Harkanasu pour la première édition. Les équipes des villages qui s'engagent à participer, Nyabere, Nyalekora, Zagore, Bogol Mamar, Bogol Hima, Kubikura, Nyabere Nyabere Kena, les conditions de participation s'engageaient de respecter et de faire respecter le règlement intérieur du tournoi Germoko Amadou Magaji, chef de canton de Kyoto Harkanasu, s'acquitter des frais d'inscription. Nous lançons un appel à tous les villages de respecter le règlement intérieur du tournoi. Voilà, toutes nos excuses pour euh, la mauvaise qualité sonore. Bachirou Dodo Kadri, euh, il est euh, l'initiateur de ce 3GV de Harkanas. Et poursuivons ce rendez-vous sportif euh, Des arbitres nigériens sont en formation Mauritanie pour l'assistance à la vidéo. Oui, euh, Ruki, en effet, sur l'invitation de la Fédération mauritanienne de football que l'arbitre Bramou Ali Sadou et l'arbitre assistant Aboubakar Ousmane Fousseni séjourne à Nouakchott, la capitale mauritanienne, où il participe euh, du 16 au 23 août 2024 à une formation sur le VAR, le VAR assistance vidéo à l'arbitrage. C'est un outil technologique désormais incontournable dans le paysage footballistique international. Alors Gourouza, c'est dimanche, c'est dimanche prochain que l'AS, euh, l'AS Fan recevra Agname Niamey euh, de Kara du Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe euh, des Confédérations Hein, africaine de football. oui. c'est euh, sinon, euh, en match aller, il faut le rappeler, il y a une semaine, l'équipe nigérienne de l'ASFAN est allée tenir en échec l'association sportive des chauffeurs de Cara du Togo sur un score nul de 2 buts partout. C'est le stade général Séné Kounché de Niamey qui va accueillir euh, ce match retour le dimanche prochain. L'ASFAN a certes fait une bonne réalisation au Togo, mais tout n'est pas joué. Eh, car en football, nous disons qu'il n'y a pas de mathématiques. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment, Gourouza. Chers auditeurs euh, et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous du Niger sur Kalangou avec euh, cette fois-ci le portrait du jour. Alors, Ruki, c'est qui la star euh, du jour le portrait du jour nous conduit à Chota dans la région de Dosso pour découvrir Hassan Adamou dit Karma Boboy, joueur de tantam communément appelé Kunchaharei, un rythme traditionnel vibrante qui réunit les cœurs et les corps. Oui, la danse du Kunchaharei est une euh, pratique ancestrale qui, a, qui euh, à travers ses mouvements et ses sonorités, raconte l'histoire et les valeurs de la communauté ou euh, l'éloge d'un membre de la communauté c'est distingué. Écoutons le parcours de Hassan Adamou, dit Karma Boboy, dans cet entretien avec Barham Hassoumi. sau kai tunan di tunandi kai babai samsatodin babai no babai goga kar iri kaka hangal iri kaka hangal karke fo kan gulmo ka lumo bi aini he yi wa gulmo sun ku ya rage wani aini bu inda go ko banda so lumkaro ka da so zato din do tijeno ga kar ago kar ago kar ina mun shi ane ka so leshe kal so nan kulka ga koi samariya dan wato samariya na runo kwara kwara kwara wani mu kai kwara wani do kwara wani mu koy kwara wani do e wol mu din gaishe e gogul mu so yadin yadin yadin kala e eh, irganda babu kan shi sigine malakaci ne mai gamkan na go sato din gumbe na kan to kama samariya tundi haka to ka kalin kulu kunga mu an gina sam ban gina ta ba bai so inda go kyar ban da yaji so bai kana so bai kana to ai mo modin gashi so mo di ka kwara da bore ga furu kwara ai mo ai mo koi malaka ta harare sam ai mo mo lumono go furan ka fose ai go go kollon da da hara am sa to ne sifurgi ne e biere fo no go furgi ne go kollon go kollon go kollon yadi yadi yadi kar hanfo bora kan go ne man ka ai go furgi ne igo go fulgine ine mbay boro go wani fulgine so ha ah, diga ful kwar kulu dina go fulgine amma diri ko non fo malakati no go fulgine ai wo kollo in lumo gishi to yadi yadi yadi dan malakaci ka kace gishi malakaci ka kace gishi sanwo babarin afofo gishin di so inda ga naru binniyan inda ikoi nan go kudda inda ikoi sanda samari yara nan kwarakin ke dino karatu nan kan da yi gici bore mina a yin furgine to kaza ya dino go gine dino go gine alba bai din gisi son a dai no gogi ne mun hare karan ora e eh, ibe koi dam gara zander festival fote no di i koi no di nyama e forum foni i koi no di hare karan ora i koi argungu so dai labura kwar kai mun hare kar bumbo asbabum dai so k'i ke se hare kayan ora ifukti na fekan aran duwara a ah, gumo wallahi yodu na fada zam na fa kan yodu so l a b o r a ya jama mur ba bor wai wal bor w o l bor du ko bor akul bor na ganda ba fo kan k a i ya dinga yodu na fa kusi ba wodin wodin banda kun ki harawo e masintin kane k a l m o harade do l ma kata to so goyya kul kan boroke tebo sijan ara sande ya ifo kuti sande kan aran gudu aran goyo wara a to le so sanda kan go de ki so jam so borai ina wat na mina mai ini fu sande bombota de no ini fu to kan gu follon follon no di hije yanga te wal bot fo yam igirke igo to wati din binde musical fo kursino jima ci kun kyalai dai don don kari nga hinde no gon wati to so music dai so ina kun kyalai ni kudu shini ke kilonno karke bor follon follon yo kuli ce kan bai igo mai yanno kan gogun gaina mina mai birani to wati ne daga di da kai diya go gaban kunce harai fori yanga te nan gaira sun wa zama na wani agogo te wala nga mu music kone gani mana ga bai wadi mu ne kusa masal bambata a shi gace a kun music kone na gani to da haimar wadda ina ma kukun kulu a gine mu ce music ima ka ka hannu ka kare ce ka so bai gani wadi man kina me wato da kun kare te da bai kun kwaro ne mu ce kwaro ne mu ce dini ji mai jiran sattori ne kun kare wa iga ka da ce nan ku fambun bo ce zari mu kirkan kalje gurje har kino goto to songo il faut que ti cengo karang ce ko al al'umma ga zama songo aran di Niger furu di rauta gira kanga na more min gaina mai batu cengo kai ko te lokaci irgin er warai soje ga imanna e mina mai di no gab zama bai kunni na modin no ni ganda kada nga no ganan ni mamani bonkani zamso zaran madago gidan zaran shine aga bonka bonkani ba aga kusunan ko iyalin no na mina mai di bonna modi de borgo gagana kana to la bo bo ibun bono kuma akani wodi ndeni gumware toge ga emina mina mai dinoga ga Merci à Abraham Hassoumi pour ce portrait. On passe directement au loti du jour. Et oui, Ruki, dans la rubrique Lotti de ce jour, nous abordons la question des maltraitances des enfants. Mais qu'est-ce qui pourrait bien pousser un parent à maltraiter un enfant Découvrons-le ensemble dans ce Lotti que nous présentent Samira Rouafi et Rekia Kiji, Hey Mamma, menene? Na kara aiki. Ina iya in je in Kin kare wankin? Eh, na yi Wanke kwanonin hwa? Na yi duka mamma. To kin yi shinhuda? Na yi naku mamma. Sha biyu na dare? Me kike jira? Ki je ki yi shinhudar yayun naki. mamma yiwa nike ji. Na yi su daga baya. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke ji mini wannan yarinyar a shekara goma sha biyu tuni ina magana kina magana wuce min daga nan kuma Allah ya sa kar kishin waɗannan na ƴan uwanki ke balkisa hmm? ya kina ni nike miki magana kuma kina mini kina zumbuɗo mini baki A'a ba haka ba ne ba ma. Sai kin yi shin waɗannan kuma zan gani wa zai baki abinci yau da dare ne sai dai ki mutu da yunwa. Ku yi hankuri mamma. menene ana ta cuwa-cuwa haka? Eh, hey, yar leleta, mun tada ku ko? To ku ku huta ku, yanzu an yi muku shinwuɗa ku ku kwanta. Kin gani ko? Kin tada mini yaran ga. Dalilinki ba su hutawa su ji daɗi a cikin gidan nan. Mama da Allah ka ku buge ni ku yi hakuri. Wane ne ke kira na yanzu haka? Ah, salamu alaikum. Ya ne kawa? Kin iso? Ah, to, yayi kyau, ina jiran ku. Ke Balkisa, Na'am mama. Zo ki ta maza maza ki gyara ɗakin nan ki gyara shan huɗa kuma hallau ga ƙawata nan ta he. To mama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zainab kun iso? Mm, gani nan dai kin gani. Barka da isowa. Barka ka dai barka. Kai kai masha Allah zo zo zauna. Balkisa. Na'am mama. Zo ki kawo mama maki ruwa. To mama. Wace ce wannan kuma? Ina matar Mustapha kin nan da ta rasu? To iyarta ce. Ah, ah to Balkisa. Kirawo mini rakiya da Farida an gansu ko? Hmm, yaran nan suna nan ga barci. Ah, suna barci. To ita me take yi har yanzu? Dare ya tsala hakan ga bata kwana ba. Haba Habiba, barbarin yaran ki gaban TV har wani rabin dare hakan ga. A ake. Yarana, to ni suna barci tun karfe goma na dare kuma kullum hakanan ne, amma ita ko sai ta gama duk ayyukan cikin gidan nan, kahin ta ci abinci sannan ta ta kwanta. Habiba, Me ke ji hakan ga? Ina gane nan baki kula da yarinya na wadda kike kula da yaranki. Wace ce? Ita? To, Yomi kike tsammani, kin aza ina ganin ganinta tana nan zan ba iyan da na haifa aiki. Hmm, Allah ya raba gawa da dariya. kin je ki wai Allah ya raba gawa da dariya haba ita ma fa ki ce ke ke ke ke tsaya gyara zancen ki iyar kishiyata wai dan mata rasuha to na ji amma wannan bai baki in cin ki kuntata mata hakan ga wallahi ki ji tsoron Allah da ya halicce ki kina da yarinya yar shekara goma sha biyar da yar shekara goma sha bakwai ha baki ba su aikin yi su da amanya sai dai balki sannan yar karama ga ta yar shekara goma sha biyu ki san da ita kadai ba ta yin wanga aiki duka ke ta saba. Haba Habiba, yarinyar nan fa kake manta, magainiya ce. Zainab tsayan tambaye ki, wai saboda wannan kika zo? A'a a'a a amma diba da Allah lokacin da ake nan gai dare fa yayi nisa ha kake mance fa mu musulmi ne in ka kula da wanda baka ma sani ba ga irin daɗin da kake ji da irin ladar da zaka samu musamman ma an ce ɗan mijinki ha kuma magainiya da in ki kula da ita Allah ɗaya san dubun ladan da zaki samu kuma in kina son mai gidanki ya kamata a ce duk abin da ya fito daga gare shi ke ma ki so abin ina son mai gida na fa amma ke kike yin kaman biki san ba abin da mahaifiyarta ta yi mini lokacin tana raye daga na ga yarinyar nan ke nake tuna duk abubuwan da ta yi min haba habiba ke ko ai ba laihin yarinyar ne. kuma ki saurare ni in ofishi mai kula da kariyar yara suka ji irin wannan abun da ake yi Allah ɗaya san irin matsalolin da zaki samu da hukuma kuma in aka zo aka yi la'akari yarinyar nan ta ji mu ko ko wani abu ya same ta akwai ayar doka mai lamba ɗari 222 da da biyu ke hana a kuntata ma yaro in ma babba ne bugu da gangan ko jima mutum da gangan kuma duk wanda aka kama da wannan laifin ana iya sa shi kurkuku daga wata uku har zuwa shekara biyu kuma zai biya tara ta jika goma zuwa jika ɗari na sifa subhanallahi me nake shirin ji To, wani hali yara na za su shiga in aka jefa ni kurkuku? A'a, ha ake kai ga wannan. Ya kamata ki sake hali game da yadda kike yi ma wannan yarinya kina kuntata mata kina bata wahala. Ya kamata ki sake hali tun lokaci bai kore miki ba. Baki bata kula, baki gwada mata soyayya. Allah ɗaya san ta kai budurwa irin mugayen abubuwan da za ta sawa cikin kanta. Kuma ki san da cewa irin wannan abu da kike mata yana iya sa ko ta ga zaki mutu kina bi cikin wahala, wallahi bata taimaka miki. Ko ko ta cuta ma kanta da kanta. kuma ke gan duk wannan laihinki ne. Na ji kuma ya kare. Balkisa. Na mama. Zo iyata, ta ki ci abinci kin shi ko kuma ki je ki kwanta. Ki yahe mini kin ji iyata? Na yahe muku, na gode mama. ai ba ki ga komi ba ina jiran babanta ya taho ni da kaina zan mishi magana don ya samu ya bude miki kan nan naki da eh Zainab babanta bai san ba miki faruwa cikin gidan gafa dan Allah ruha mini asiri kar ki bata mun gida kin san ban hangi ba matsalolin da ke tattare da wannan abun kishi na akan wannan marigayiyar ya sa ban ganin komi to Allah dai ya kara haskaka mana komai amin to ni zan je in dan huta na gaji hanyar nan ta yi tsawo je ki huta ni ma zan je in kwanta Merci les filles pour ce loti plein d'enseignements. Fidèles auditeurs, nous passons à la culture linguistique. Aujourd'hui, nous accueillons Ali Niali Abdulmoumouni. Il va nous expliquer le mot inondation. Bonjour Niali. Bonjour Rukaya. Effectivement, bonjour chers auditeurs et auditrices. Comme déjà annoncé, le mot du jour aujourd'hui pour la culture linguistique de ce jeudi est inondation. Ce mot a été expliqué en anglais, en français, en germain et en hausa aujourd'hui nous tenterons de l'expliquer en fulfulde barkini barkiniɓe kettinaniɓe dun fa hande sigilaji studio kalangu et niger sur kalangu kurjan weti e Mono. hande min gari nantinde kongol inondation der France nabi en der fulfulde ma dungu tawaden hande. no toɓe sanne lewru uttu du enɗen di yeele toɓaɗe ɗe duni fa hannden no ñaama nokkuje no waɗa bonondaji cuuɗi no caama kaliji duni fa hannden guese e maaroje di yeele ɗe enɗen no ñaama ɗum en no bonnina nokkuji gon duni fa hannde yimɓe du dalila majjum no barma fa yettono woɓɓe e ittol yonki bonandaji ɗi enɗen ni no gadda du kanenda en daari yimɓe mbawa gaɗi yaha wartaji mum en misali jehaali nde en daaɗiɗi ɗum fa handem bandiraɓe barkiniɓe hettinaniɓe studio kala ngu e sigilaji niger sur kala ngu dungu tawaɗen duni fa handen nder dungu ngu en dan no hani noon yimɓe durwa heɓude mosola to diyen ñaamu ɗum en fadde diyele ɗe en dan toɓede toɓe keɗo dungu toɓe durwu du fa handen joɗade nder no kuuje to diyele ɗe en dan ñamata ɓe durwa duni fa handen toɓe ñiɓu sukkude cili gadduji diyan ɗi en dan ko watta diyan ɗa en dan yewta yahan no kuuje muɗum Voilà tout pour euh, aujourd'hui. Merci, Merci et bonne continuation. Merci infiniment. Alors, chers auditeurs, faites-nous parvenir vos suggestions de mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haoussa, en germain, en tamashek ou en fulfulde. N'hésitez pas à laisser euh, un message au 82 89 89 64. Alors, Rocky, je crois bien qu'il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs euh, pour aujourd'hui. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka. Da farko dai suna na Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi Dozaman Taxi Moto Tribune Official shugaba ne na kungiyar masu kira da sauraron radio na Africa Rashin Jihar da Magaram. To alhamdulillah gaskiya ba abin da zan mutu da studio Kalangu musamman ma irin rawar ataka da take nunawa take jajircewa danganta da al'umma na birni da na karkara. Gureman ba abin da zan mutu sai dai godiya sai dai mu kara mata karfin gwiwa dangantar da irin damammakin da take bada kuma tana ka mota na ci gaba al'umma ga baki daya musamman ma na fannin bangaren mata da ake wayar musu da hankali jan ya zamanto sun dogara da kansu saboda sana'a sa'a rishin sana'a rishin sa'a mare na kaɗa aka ce ɓarawo ne idan ka tashi ba ka rena sana'a kaɗan ko mun kankanta ta kayi ta don ka dogara da kanka gaskiya irin wannan eh, abubuwan da kuke badawa gaskiya ba abin da zan mu ce da ku sai godiya saboda kuna nuna rawar ataka a zo a gani kun yi rawa a zo a gani kuma a nawa tunani a nawa ra'ayi kuma dangance da wannan sabuwar shekarar da 2024 a nawa shawara na tunani ya kamata a ce studio kalangu kun buɗe wani kulob wanda zai zamanto 'yan uwa da amina arziki na birnin da karkara don su dinga tofa albarkatun ba su su ko kuma suna ba da bayanin su direct tsakanin ku da su ina gaida alkasim baba liman jihar agadas wanda president ne masu kira sauran radio na afirka ina gaida mamman sani bigman ina gaida kabiru sula usman ina gaida malam habu kwalliya ina gaida hamisu mai dan kuka ina gaida isufu madatai sanusi madatai da dukkan mambobinmu maza da mata kulab da fara na jihar da magaram lalle kalangu mu ba mu da wata matsala saboda mu kalangu kullum mu a sauraron ta kuma mu abin da an muhimmanci gare mu labarin da kai da kowane harshe kaga akwai haɗa kenan ba ka je harshen zabarmanci ko na hillanci ko na ko na hausa suna yin zabarmanci suna turanci kuma duk labarun da ka suna maimaita su ƙara da ƙaro kuma bisa harkar sport na gaba su wasa kana samun sakamakon balo gare su baka same su ga radio Nijar kaga wata ƙaruwa ta garin mu to lalle shirin da ka burge ni gudana zuwa biyu bisa ga al'amuran ta kai nan nan bisa ga radio tambara muna jin daɗi tana ba da labaru saboda wasu labaru wanda ma ba mu san da su ba kalanku tana ba da su kuma muna allah allah lokaci shi mu ji labarun da da take yi kuma muna amfani da labarun sosai da sosai sai kuma bisa ga shiri kuma guda wani ta kai na aje fada wannan kuma shi ya haiburge mu saboda muna da matsayi Vala Amis fidèles auditeurs auditrices, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rukayatu Abdraman et moi-même Ali Munkela Ouseni. Le rendez-vous est pris pour demain avec euh, une autre présentation en duo. À la technique, c'était tout simplement euh, Seini Isaka et à l'édition, c'était la grande dame Adama Dawaki. Bye bye.